Assalamualaikum. président maa ngi Bouba, nuyu maa les ministres ici présents ministre du budget du travail ministre de l'éducation nationale du sànni pour Nassar Ndeye Euh, dites remercier monsieur le ministre ici présent et toute l'éducation nationale ses prédécesseurs monsieur le ministre votre ministère la laam-laamal le plus important parce que là, il faut former des hommes et tout développement quand même, ça tout dépend de, la base qu'on a en éducation pour que notre pays puisse se développer. je veux remercier le président Macky Sall tax mu pour enseignants éducation nationale du préscolaire à l'élémentaire je salue le corps enseignant parce que je faisais partie de ma retraite Oui, nous sommes sama xol te il y a un amour des enfants parce que c'est important pour nous je félicite le président pour tout ce qu'il a posé dans sa politique je vais commencer par le curriculum l'éducation donc euh, une formation qui est basée dans la compétence de l'enfant qui facilite le travail des enseignants à partir du primaire on peut déjà déceler le métier que l'enfant pourra faire et c'est une bonne chose mais il y a encore le paquet paquet bi un programme d'amélioration de qualité de l'équité aussi et de la transparence Je vous remercier aussi ci li mu defal enseignant yi DNC révalorisé la salaire aussi les inscriptions pour soulager les parents Maintenant, ne faut remercier l' l'éducation. les écoles primaires conférences transférées. les moyens de ciy pour facturer parce que loolu tamit la métti parents aussi seront monsieur le ministre parce que su ma gars yi dafa am am am amul parce que sama département ko ci lycée dama lycée dafa am problème avec 120 professeurs 62 cours pédagogiques mais les bâtiments manquent les salles sont délabrées dañ ko doon rénover il manque beaucoup de classes. Et cette année, ils ont trois classes qui ont été fermées. Et les il y en 80 dans une salle donc condition difficiles difficile nous doubler. Il y a une salle qui laboratoire mais c'est mal équipé il n'y a pas presque il y a presque pas d'équipement là-dedans donc de 17 h à 8 h nous avons dañuy xel déjà abattus. parce que nous manque de de salle professeurs ils dañ retraités. Ou si aussi ils sont à la retraite ou bien mutés on les remplace pas donc euh, ma bëgg ngeen jël lycée bu mag boobu nga xam ne ay cadre yu bëri ci lañ génnee parce que moom rek moom rek a nekkoon ci département boobu ngeen jàpp ci bu baax ci lycée de Diop. may jël tamit sama sama localité mu Mbodjeen fi ma dëkk donc foofu tamit am na nañu seen bu rafet parce que ay partenaires ñoo ñëw tabaxal ñu ko mais amul équipement salle informatique bëgg nañu daal ñu équiper bureau yi jox leen photocopieuse yi nga xam ne daal ay jumtukaay la pour Madame aussi, aussi euh, lycée c'est un lycée nouvellement créé parce que les yi et vraiment laboratoire monsieur le ministre dans le même sillage pour def ay propositions l'éducation c'est à la base à la maison enseignant aussi doit être formé à l'amour des enfants nit ki li la nekk rek moom nga mun joxe les enseignants doivent être euh, doivent être formés ils doivent être formés une formation continue parce que quand on cesse d'être formé il faut cesser d'être enseignant ay xale la ñu yónni ci ñoom la ñu yaakaar pour xale yooyu ëllëg ñoom war a ñoo war a yow Sénégal may wax ne mënoon nañu lëkkaloo avec euh, les associations des parents d'élèves parce que l'enfant l'éducation commence au berceau xale yi dañuy jot yenn saay avec des, des, des, avec des visions, ça vient de la maison, et ce sera difficile pour l'enseignant aussi de redresser cet enfant. donc nous, dama bëggoon ñu jël ko encore bu ñu un programme am na ko fi wax morale yi éducation civique je sais pas pourquoi maintenant on a changé donc nous devons manqué école aussi te vraiment prise de conscience en na am foofu euh, aussi le privé je salue l'enseignement catholique parce que les mauvais résultats dans le privé ce n'est pas l'enseignement catholique Le meilleur résultat Sénégal les meilleurs résultats viennent des écoles privées catholiques c'est une structure bien organisée merci chers collègues.